Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, aujourd'hui, nous allons donc recevoir un timide. Pas n'importe lequel. Il est timide, mais il fait rire. Mister Timide, Dandy, la machine te reçoit sur l'émission pour parler de toi. Merci. Merci, pourquoi tu me dis merci Parce que tu m'as reçu déjà. Oui, pourquoi tu parles comme un président <laughs> J'avais pas remarqué cela. Donc, mais tu parles euh, au calme, c'est comme si tu veux impressionner qu'il y a go. Je parle pas français, non, moi aussi. <laughs> ok, ok. Parlons de timide. Ouais. Parlons de toi à l'état civil. Donne la possibilité. Déjà, moi, tu humain. <laughs> tu vois Tu humain. Je n'aime même pas les flots. Parle-moi de toi. Parle, parle aux jeunes. Je regarde. Je pas trouvé le mot. Non, non, c'est bon, c'est bon. Regarde, regarde la caméra, parle aux jeunes pour que puisse te servir dans 5 minutes. Parle-moi de tout, de tout, de toi. Parle-moi de toi, parle-moi de toi. Euh, à l'état civil, moi, c'est Mohamed Saoudi Zeb Garba. Euh, je suis né le 4 septembre 1996 à Agadez. 10 ans après El Polo Loco. Ouais. 1996. <laughs> Ouais. On va parler un peu de tes débuts quand est-ce que l'humour s'est révélé à toi ah, révélé oh Oui. Quand tu as donné c'est quand tu as la, un esprit t'a dit que tu as la possibilité de faire rire les gens. C'était en quelle année parce qu'on sait que tu es né en 96. J'ai commencé d'abord par le théâtre à l'école. Ah, ah mais pourquoi tu n'avais pas dit ça j'avais, pas dit ça parce que euh, quand je partais là-bas, sincèrement, c'était pour voir une fille. Ah, c'était pour voir une fille. Voilà. Et la fille, maintenant, elle où maintenant Elle s'est mariée. <laughs> tu as fait du cash à moi. Alors, cette carrière, euh, tu penses que ça va euh, continuer Bon, en tout cas, euh, selon moi, je suis même le mieux placé pour continuer. Je n'ai pas fait deux ans pour rien. Deux ans et puis laisser. Ça, jamais. Et depuis, je m'étais fixé des objectifs. Donc, en train euh, petit à petit de me donner les moyens là pour les atteindre. Quoi. Ok. Donc euh, on commence pas quelque chose comme ça et puis arrêter d'un coup. La fin Voilà. Il a compris le mec. La vie, c'est un éternel combat. On l'a toujours dit. Et les gagnants, c'est pas ceux qui ne sont jamais tombés, c'est ceux qui ont su se relever après la chute. On tombe, on se relève jusqu'à destination. L'artiste, le timide, s'exprime sur tout ça, la fada. Hey. Hey. Alors, euh, je tiens d'abord euh, à vous remercier parce que, comme je le disais, il n'y a pas beaucoup de canaux qui nous permettent de, s'exprimer. Mhm. Voilà, et je tiens vraiment à vous remercier une fois de plus. Voilà, euh, si on peut le dire vraiment, l'humour, le stand-up est en marche. le meilleur reste à venir. S'il y a des gens qui sont vraiment intéressés, le Harka Comedy Club est toujours ouvert à tout le monde. Et là où encore Haraka Comedy Club se démarque des autres, c'est que euh, de temps en temps, il y a des formations, on euh, va chercher des formateurs pour nous parce que euh, quand on dit un métier, il ne suffit pas de faire avec seulement les moyens qu'on a, il faut aller aussi chercher ailleurs, confronter notre vision et celle de l'extérieur. Merci. Osez chercher, vous trouverez. C'était donc le timide. Mesdames et messieurs, sur l'émission de à la C'était l'artiste s'exprime.